waje wata ta ɗauki hankalinsa wannan ko ba zai yi ba sai ke in kiyi aikin ofis ɗinki idan ba aikin ofis ɗinki ba dole a samu me dole a samu matsala maza suna son mace wacce ta iya dress ta iya kwalliya ta iya ado domin ita ke taimaka musu wajen rutsa idanunsu su daina kallon mata waɗanda ba su halatta ba a waje Allah ta'ala ya sa mu dace shi yasa mazajen kullum muke musu wa'azi su rinka saya muku kayan kwalliya su rinka saya muku kayan ado idan Allah ya buɗa musu su rinka siya muku wadatacce sutura kuma idan kun yi adon su rinka zuwa suna ganin adon domin ana samun matsala ban zan manta ba na yi wata lacca akan muhimmancin mata su rinka yin ado a garin yamai a jamhuriyar Nijar mata dubai sun halarci taron sai ta rubuto tambaya ta ci ala ta malam yi babban matsalar mu idan ka yi adon mil za ka yi wa adon maya za ka yi ka same shi kamar sa'adar rigimar take ta ce bayan ka gama abinci da daddare za ka sha kwalliya ka sha ado ka ɗaura ɗan kwali ka turo ɗan kwalin gaban goshi shi kuma yana can ya shiga cikin gari tun ɗan kwalin yana gaban goshi har ya dawo tsakiyar kai har ya koma tsaye har ya isa ƙasa bai dawo gidan ba wani lokaci sai kin kwanta kin yi bacci jambakin da kika shafan ya haɗu da yawun bacci duka sandan mai gidan zai dawo kwalliyar ta yi amfani kwalliyar ba ta yi amfani ba to shi yasa su ko mazaje muka musu wa'azi su ji tsoron Allah su kuma abin da ya kamata su yi su rinka yin abin da ya kamata su yi amma abin da ke da muhimmanci gwargwadon halin da kika samu yi kokari ki zama mai kwalliya sannan duk tufafin da miji ya ga wata ta sa waje ya bashi sha'awa ya halatta ya kawo miki ki saka ko irin kayan ya jujo ma jujun nan ne ya fita kan hanya ya ga wata arziya ta dan sa wani mini skirt na jeans an dan tsaga ta baya ya dan dan daure hakan nan abubuwan sun dan yi cip haka na'am kallon farko da ya an yaje mashi ya kara ya shiga zunubi a ina ake sayarwa a layin yan gwanjo ake sayarwa daga nan sai ka ce layin yan gwanjo ka je ka siyo ba sai siyo matarsa ba ya halatta siyo mata da daddare in yara sun yi bacci ya kulle kofa ce to saka wannan in ta saka ce to dan ja sama sosai in ta ja ce to dan taka in gani left right left right ya halatta bai saba wa Allah ba kun bai ji karatu Ah <laughs> un pays le chef de l'état conjugal celui que Rasoul a indiqué comme chef de famille c'est le mari si c'est un gouvernement je dis c'est le chef d'état conjugal celui qui doit travailler pour nourrir la famille c'est le mari c'est le ministre du travail celui qui doit cultiver pour nourrir la famille c'est le mari c'est le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Élevage. Celui qui doit donner l'argent à la maison, c'est le mari, c'est le ministre des Finances. Celui qui doit défendre la famille, c'est le mari, c'est le ministre de la Défense. Celui qui doit protéger la famille, c'est le mari, c'est le ministre de la Protection. Ça va La femme est ministre de l'Intérieur. Même quand le chapeau du mari est mal placé sur la tête, la femme doit dire change le chapeau. Et tu dois changer le chapeau. Parce que la manière dont on te voit dehors, c'est elle-même son image. La personne qui économise l'huile, le riz, l'argent, pour mesurer avec la fin du mois, mesurer avec le nombre d'hommes qui mangent à la maison, c'est la femme, ministre de l'économie. Une femme gaspilleuse qui charge son mari au-delà de ses moyens fait partie des quatre femmes qui vont en enfer. Là, si la maison est sale, on regarde qui la femme ministre de l'Environnement et de la Salubrité, Anou Loto, c'est toi. Si les enfants apprennent à parler, apprennent à marcher, on ne fait pas ça, on fait ça, allez vous coucher, c'est elle qui est ministre de l'éducation familiale, c'est Kandia Kamara. C'est la femme qui est ministre de la santé. Parce que la vraie santé, c'est la nourriture ton oncle qui ne mange pas le sel, ta tante qui ne mange pas cube magie, toi-même qui dois te reposer un peu, manger des crudités, c'est la femme qui gère ta santé. C'est elle qui sait que tu vas te lever tous les jours à 4 heures du matin pour aller à la mosquée. Donc si tu ne te couches pas vite, tu auras un temps de sommeil réduit et donc tu auras des migraines, des trous de mémoire et toujours tu seras malade. C'est la femme qui va gérer ça. Mais une femme qui s'assoit au salon pour regarder Télé Novelas ou le numéro 61, là où il y a les hindous, là, jusqu'à 2 heures du matin, c'est une femme qui veut tuer son mari. Il faut que tu demandes à ton mari, on se couche à quelle heure Il faut que tu demandes à ton mari, tu veux manger quoi demain Il faut, il faut. Ma soeur,